Moi watch vos zéro rendez-vous au jazz, 150 jazz, ou téléchargez l'application MyFree quel que soit votre opérateur di firi Calvé. sa calvé Santé à la boutique rombe nga tissu yu Santé à la boutique tissu yu baax fii la Olympic Olympique Club un monde de sport s'ouvre à vous Au Royal. buuru Las gestionnaire de l'aéroport Dakar Blaise Diagne les meilleurs vendeurs avec les meilleurs articles sont sur sunishopping.com un voyage vacances business découverte on s'occupe de tous les détails pour votre logement Dalak Jam l'hospitalité à l'africaine Business ni ki TV ci seen bouquet Canal Plus ci numéro bi ci 221 communicatif Sénégal Leral TV mooy takkandeeru Sénégal ak Afrique Yes Hotel Dakar Almadi Negura Music Group, leader dans la production musicale. Bien en Afrique, design your life. Adi Djouf, artiste peintre. Au nom Hôtel Dakar, le chic en toute simplicité. Au bon food, good taste. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Karma remercie ses partenaires Dansira Style, SD Jewel, Models Did, Awa Sidi, Lady Mona, Christy Beauty, M60. Matidi, Amani Elegance, Jaria Création, Golden Express, Simplicity by Amina, F Concept, Le Pop Shop. By Modou HLM, e e votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. Pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Chess Habillement dit grossiste ci ay tenue africaine waa diaspora de leen seen nous livrer livré DHL, j'ai par DHL le numéro bi 77 774 09 71 maa defoon mujjee rëccu topp yonu caay caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jaru weeru yeah blue eye, def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la wax. ok. léegi moi. Non lay bàyyi mais n'ouvre surtout pas les yeux tant que tu ma le signal ok. ok ndey bu touché ok. <laughs> Boris, qu'est-ce que tu m'as dit quoi? Attends rek ñu xoolee. avance encore un tout petit peu le xoolee ba mu nag avance. Attention, tout petit peu. Voilà. Maintenant, il faut ouvrir les yeux. Tadam Surprise Waouh Alors, ça te plaît Pour ma magnifique et sublime femme. Boris <laughs> Wali, je ne le mien, c'est populaire.

Oui, ça va, Tiens-moi ça. Ah, eh, Bébé, t'es sûr que ça va Non, mm. là, moi, J'ai un peu mal au ventre. Rien n'est que le simple, ni la conscience, oui..! Bébé C'est pas <laughs> Chérie, tu m'inquiètes là. Là. Je sens que je vais vomir. Bébé Marie déet yow xamoo dara. kii da lay gagné rek. man de ku am niveau laay wër quoi franchement le niveau est pas. Ziggy yow Aliou Baye ci loo la nekk. Ziggy yow. waaw mais ça fait l'occasion sax man ku am niveau laa soxla. après ñu jàpp ñu joué ah. non je prends le vainqueur. Aliou Ndeye ak Boris. ñu ngi woon ci suuf. non xool bàyyi mu bàyyi la nga yëgale match bi.

c'est vrai. Ah, vraiment. Quelle belle époque. Ça me manque. Le numéro de Nakio, avant. On s'entendait bien, on était de bons amis. C'est beau et beau moment qu'on a passé là-bas en France. J'aimerais tellement les revivre. Parce que tu avec à de niveau. Mais les j'ai l'impression que depuis bu ñu marié wu est léegi lépp je sais pas ce qui se passe xaw ma lan laa war def lu le deful lu est war Marie. Maurice tu n'as rien fait dara bul jàpp aussi tu n'en fais pas assez lépp man c'est moi qui nous ai trahis. man ma dem outil leneen loo xam ne si yow laa ko doon utee d'habitude maa dem uti benn xarit boo xam ne moom laa doon waxal di ut si moom réconfort xarit réconfort ban xarit la noonu mon ex ex ne mari ban ex la ci Majib non du Majib de Aziz n'est Hein Oui, il a été cet ami. Et depuis quand Ça dure. Depuis quand nga doon gis sa xarit boobu sama ginnaaw C'est ex plutôt là wax. depuis son mariage. te boo xarit ngeen doon def. donc si wax rek là. Hein? il s'est rien passé a rek. parce que pour yow ce c'est pas c'est grave quoi dem que c'est ex laisse en gros dama mon fait pendant tout temps ne Marie pas waroon na ci fait a Et c'est s'est rien passé man am na ne dofuma duma ko def am naa ay limites tamit. là n'est pas la question on est marié on est marié am na yoo xamante on waru ko sax laaj ba di ko def je suis déçu franchement je suis déçu Légué, est-ce que dame am le lu j'ai tout dit. na ma été sûr ndax su que daa am leneen lu c'est le moment de tout dire. Je t'ai tout dit, Boris, je te le jure. Je t'ai tout dit. Maintenant Maintenant, ça va mal. Libre de mes bercifier, c'est parce qu'il y a un sérieux problème qu'on doit résoudre. Franchement. Je comprends. Mais nous te continuer. J'ai pas dit ça. J'ai dit un problème qu'on va résolu. Mais Boris, ça ne sert à rien de s'accrocher. Je ne m'accroche pas, Neymar. Écoute. Neymar, on est mariés. Tu es ma femme, je suis ton mari. Le mariage, c'est sacré. Affaire yàlla tu ci

tu fermes ta bouche je dis. Père, eh, avec tout le respect que je te dois, je ne pense pas que je vais sortir. J'ai des intentions nobles envers ta fille. J'aime Aïcha. Et c'est pour ça que j'ai trouvé plus correct une fille qui se en face à face voir le corps qu'on assume cette relation. li correct man bëgg nga yow bu adduna bi yëpp doon nañ des yow duma ne c'est pas gratuit dafa am toi tu sais moi je sais. C'est papa ñaata ko am et c'était une erreur L'église, s'il faut qu'on le clarifie pour qu'on avance nañ ko tu appelles ça une erreur tu appelles ça une erreur le jour du mariage de mon fils Boris ma bett la ngay fóot day mari say C'est tout, c'est ça une erreur.

je l'ai embrassé. Espèce de sang froid Putain, euh, pas Je savais, mais pas sérieux euh, Qui d'autre était au courant de ça Comme mon amant de Kabir ne Quel pas pas Mais calme-toi, ne Chibabi. Boris, tu te ressaisis. Tu te ressaisis. Je t'ai rien dit parce que tu sais que. Ah, mais a quelqu'un qui connaît. Yo, yo, pas yo, tu me donne Mario Yo, du li nga foog je te le billahi wala dafa génn sama xel pour wax lolu am nga occasion ko mën yëpp bëri di waxtaan di tu ma me plus rien lépp wax nga ma ko que c'était l'homme dara. oui je sais mais du waxu fi du waxu fii je veux parler avec ma femme. pas ici sa sa frère yaa ngi fexe sa ça ça va être très difficile que je te refasse confiance. soo demee am na sax loo waxul. non bëri tu te calmes je dis. dama kat sorti si. dégage sors de chez moi. sors. eh dégage. Bourès lu sën ci paa bi yow tamit calme-toi yaa moi ma foot ma sama rendez euh, euh, Boris tu te calmes viens complètement. je veux qu'elle sorte ici ouais. Oh, je veux qu'elle dégage Tu veux qu'elle quitte ici dégage sors. mais tu fais doucement doucement. sors de chez moi. Boris Boris tu te calmes hein. tu te calmes d'accord je comprends je comprends. papa mais moi, je Je ma amoon may seet yow. maa ngi dund la ma def gaffe. Félicitations. Hein? Tu es content Félicitations. Toi, on a des choses à se dire. Eh, vous le laissez ici seul. Ceux qui ont une sac, s'il veut cambrioler, il peut cambrioler. Mais sortez, vous êtes mes enfants.

Merci beaucoup. Bah, et eh. Ma belle. Je T'es de ma papa est fier de toi. Oh là là. Une avocate dans la famille. Un plaisir. la hein. Non, Attention, s'il vous plaît. Némarie, Marie Pardon, s'il te plaît. Oh. Marie depuis que nous sommes maintenant, nous 5 ans. Et dans 5 ans, j'ai appris à te connaître. Je suis ma c'est mon complice, ma confidente je pense qu'il y que nous avons pu nous aider. J'ai un charisme qui me donne. Fiable. Généreuse. Fidèle. je pense que ce mot donne l'hymne, c'est qu'elle était de dire. Non. Pour ça, il y a comme tu as dit. Vraiment. Pas toi aussi. Tu es la meilleure amie que je n'ai jamais eue. te euh, tu sais yow laa njëkk présenté sama yaay comme jigéen te même su ma ko musul wax sax sama yaay xamoon na ne yow rek yaa mos a nekk sama xol mais Marie sama tama xol bi suy tëgg yaa ko waral oh. Oh, Samo, moi C'est moi C'est moi sama sama xol bi moi. ko C'est moi. paramètre ko def ci fond d'écran C'est moi. C'est fond d'écran moi. C'est moi. C'est moi. lay gën di bëgg C'est moi. sama bëggal ci yow moi. gën moi. C'est moi. C'est moi. C'est yaa ngi jiitu ci may pensé. moo tax nag tey su ma segoon nag. non. su ma segoon ñu dara nag lépp tey yow laa bëgg di gis sama wet saa yi ma yeewoo day mari est-ce que bëgg nga doon sama soxna. Tu t'a pris ne ma lu ma xew sànq yaa content kontaan me la Boris je suis heureuse ok mais yo, affaire mariage nga ma tegal nii Amène am une décision Pourquoi tu jël da si come on man. Bon, écoute Je nga dëgg waxtaanoon naa si sama papa. ton père Boris ton père. après je me suis dit. tu es sérieux là c'est avec ton père que tu vas te marier hein.

Bon, je me suis dit que c'était la prochaine étape. Mais tu as raison. Je vais, je vais rectifier ce matin. t'inquiète. Tu es sérieux Ouais. Et comment tu vas faire ça, Boris bah, Je sais pas, moi, Marie. Je sais qu'il est failli. Je vais te dire Tu je comprendre, t'inquiète pas. Boris, yow dinañ le comprendre. Mais pas man. xam parce que dama je njëkkoon teg gàcce te loolu dootuma musati nangu mu arrivé ne ma ba faire na affaire man dinaa leen wax que yow pare pas dinañu comprendre ba mu Boris c'est bon on va le faire. Hein? on va le faire ok. mais Marie es sûr? on va le faire. ok t'inquiète pas ça va aller.

Je commence commencé à daal. Vraiment, forcément ça man man cordon bleu la xam nga cordon bleu. tu as intérêt à ce que ce soit bon hein ça va être très très. t'as passé deux heures pour faire juste du de. <laughs> allez bismillah. ça y est. regarde la texture Regarde la texture bi doo ko am cordon bleu rek moo faut faire je goûte déjà après je te dis. rapproche-toi déjà de base. viens. ouvre la bouche ouvre <laughs> ouvre. Faire mieux que ça, toi aussi. Eh Bébé, ben, hein? <laughs> en dis quoi? Hmm. Oh, Miss, Allô? <laughs> Allô? Arrête, ça Allô Allô, oui, mais. Non, t'inquiète pas, il est juste pas à dormir. C'est demain, là, ça. T'es sûr Ils j'attends de toi, Non, t'inquiète, demain, je te rappelle. On se parle, ok Yo, demain, il y Ouais, ça marche, vas-y. On s'appelle demain. Bisous. Bonne nuit. nan ngeen def ba ñuy sûrement dañu plan de retraite Nous noonu rek la de que léegi yéen Vous que ni à tout moment ñi si si certainement dañu un plan de retraite hein. et pourtant balaa ñuy intervenir on a vraiment quadrillé le périmètre hein. mais bon on a vu une, sortie secrète comme ni ma on est euh, en, terrain neutre on peut pas tout maîtriser. Nous, ñëwal ma nous nii ñu après ñu Tenez le pouce. ce que j'avais de bon. J'ai tout détruit. fi mu que nous, bugguma woon teg gàcce sama famille mais loolu laa def teg naa leen gàcce boo xamante ne fu ñu koy waxee ma belle famille maintenant parlons même pas ils vont me prendre pour un monstre et Boris aussi moi je voulais pas qu'il souffre je voulais que ça s'arrête, mais pas comme ça. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit toute la vérité à Boris. Je lui ai parlé de nous, de tout ce qui s'est passé. New on a trouvé un terrain d'entente. une seule erreur tellement insignifiante une vieille erreur Aziz tout il m'a demandé de sortir de chez lui de me dàq comme ça. je n'ai jamais vu Boris comme ça Ndeye ne tire pas de conclusion hâtive je te trouve un petit peu trop pessimiste. Laisse tout ça se tasser. Boris, il s'est certainement exprimé sous, sous la colère, mais je suis sûr qu'il ne le pensait pas. Ta famille, tes proches, ils savent que tu es une bonne personne. coup de Et et tu mérites d'être heureuse. Bon, écoute. On va pas passer la nuit ici. Je te propose quelque chose. Rentre à l'intérieur. C'est pas une bonne idée, Aziz. S'il te plaît, restons ici. S'il te plaît. Hey. Je te rassure, j'ai des potes à l'intérieur. On sera pas seuls. Et je sais que tu l'as oublié, mais c'est mon anniversaire. Hmm anniversaire. T'inquiète, t'inquiète. Mais tu sais ce qui me ferait plaisir C'est que tu me mettes un grand sourire sur ton visage et que tu te relaxes un petit peu. Rentre à l'intérieur, pose-toi un moment. Le temps que tes parents rentrent. Et après, Je pourras rentrer. Allez aller les voir. Allez. Allez. Bon les gars, je vous présente Ney. Ney Marie. Elle est une de mes meilleures potes. je te présente un peu ma famille. Elle est un peu timide, mais on va, la mettre bien, n'est-ce pas Allez, installe-toi. Votre série revient après la pub. Pour des moments de douceur, de plaisir et de convivialité, emportez-le avec vous, Des Flécha, le meilleur du thé. Resto soo ko mosee ko bay seen gamme magique sourire mën ngeen ko fekk ci boutique cosmétique yi pharmacie yi supermarché yi wala marché Sénégal yépp VDNTech, e une entreprise 100% sénégalaise spécialisée dans l'affichage publicitaire. VDNTech, e nous œuvrons activement pour vous, avec vous. Thiès Habillement dit grossiste ci ay tenue africaine Wa diaspora def leen seen commande nous livrer leen ko par DHL le numéro bi 77 774 09 71 pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres, une seule adresse. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou sur internet www.héritagecouture.net. Valérie léegi Je suis

léegi yow kan moo la ne waa police jotuñ ci Diamoy ça se saurait et la police aurait fait le lien depuis très longtemps ki yor Diamoy soit mu ngi koy nëbb ba léegi soit mu ngi nekk di ko lekk ndànk-ndànk donc si sûrement Diamoy mi ngi ak xaritam bi walla ak jabaram walla ak kenn ku nekk ci famille lui je je pense qu'il sait rien mais il pourra nous conduire jusqu'au pire. ici Pourquoi je suis dans ton lit Hein euh, Tu... Tu te souviens de rien Souvenirs? Souvenir... Pourquoi on est en souvenement comme ça Hein Ney, tu as passé la nuit ici. Comment ça j'ai passé la nuit ici Assis, encore une fois, qu'est-ce que je fous dans ton lit comme ça La moi ensemble. Mais n'a fen. reste calme. Ah moi l'homme, là reste calme. pourquoi je me souviens de rien. Ndeye j'ai l'impression que c'est aussi ce que tu voulais. Mais... que je voulais quoi. Aziz moi je suis mariée tu me dis je voulais quoi. Ndeye il faut que tu te calmes là. qu'est-ce que tu m'as fait. L'homme nga ma def. je suis une femme mariée tu me dis que fille la aussi, je ne comprends pas. Il faut Ndaï, t'appelles qui Ndaï, tu fais quoi là Ndaï, écoute-moi, on va discuter. Eh oui, ma. Son il dit que Malaï, le ban, gagne le sors de là, j'aime toi, tu sors Dégage je suis dans la merde. Comme je vous l'ai dit, la police a fait une intervention. Mais Dieu a fait une intervention. Et malheureusement, Majib aussi fait qu'on nous Allah fait..! Oh, oh, oh. Yo, que garde-toi ñu nekkee Majib ñi ko ñi ko kidnappé du ñu ay bandi yu ndaw yow ay ngantaan dofu maamal bandi loonu très bien équipé policiers yëpp njëkkoon a dem ay liif lu yóbbu yaakaar ne ay bandi yu ndaw loonu bandi ya jàpp policiers yu dóor leen dóor dóor ba ñooñu woo renfort armée waaye armée nationale gàcce ngalaam armée de terre armée de mer militaires yi génnee fu nekk

ndekete bandi ya ndeysaan seen chef kidnappé na ko ba yóbbu ko affaire ba mel na yëfu El Capo kenn xamul lii lan la man nee naa leen lii mexicains yi dugal nañ seen loxo parce que ñoom rek ñoo sañ jàpp tunnel gas ko évacuer ci nit kenn du amee laya tundey da boo gisee ni mu dangaa mënta noppi ci la li ngay wax kenn laaju la ko tu n'as rien compris amilaya bi mu wàccee général bi dafa jooy

damay wax ak yow nga ni ma jox la sama information de taille doo ko exploiter comme il faut mais da may lan sa problème lan la lan la lan mooy problème bi man maa ngi dem kon sama job man déglu ci information bi mais boo gisee ndey am ni mu ànd polisi la tre tak trait takk ay verre ñu bi bill mu laal ci ñaari trait man cëm ya doon sa nijaay Rambo

parce que du mos a comprendre te gis nga état bi mu nekk nii. beneen cas la kon nag nañ teg lépp ci suuf. ñu suul ko fii bu ci kenn xam dara on en parle même pas. bu ko génnee. lan mu xew fii c'est quoi vous étiez en train de parler de magie bien on l'a retrouvé. Euh, hmm. euh, Kani da ngay ñibbi je te dépose. ok on va à tout à l'heure. Tonton qu'est-ce qui se passe C'est quoi On a retrouvé Magib. Il s'est passé quoi Oui, Majib? Oui, malheureusement, ça n'a pas réussi. La police était sur place. Ils ont tout fait, tout fait. Mais a fait que nous Mais comme je disais tout de suite, gardons espoir. Soyons positifs. Nous Gardons espoir. Soyons positifs. metti metti ko retrouver man Inch'Allah. Malika Malika Oui, Ça va Oui. Ça va, tout va bien. Oui, tu as raison. Il va, il va réapparaître. C'est sûr que ça va Oui. Oui, oui. Ça va bah, maa ah Malika Tantôt <laughs> tonton. ah <laughs> est-ce فأنا كلايسات صنع خدزة صنع خدزة تبى سان سيدي رو بروفيت لصن بفرتك أي دال بطة أنو مين في مين مين مين إن دال زبنا أنا بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام خدزة الله جي ما يدف si jàmm. maa ngi sant macha allah. waaw kër maa ngi jégalu de ci ñëw bi ma ñëw te yëgloo ma. <laughs> loolu dara na ci. kontaan naa lool. <laughs> Selbe. ah. mën nga dem. ma def nii wala. Ah, dëgg dëgg nga ma defal tey. man dama ne woon naa ñëw euh, nemmeeku la.

la maîtresse de cette maison. Madame Kébé Seigneur 4 instant mais moi kasso. Eh Malika Kébé. Oui ma faire et ben xalé bu jigen papa. Malika Kébé même ma Pour porté l'enfant de son fils. Donc imagine le nara de Fio. Yomi di chokas chokas. Mais ça suffit Malika. Hein? T'en as trop fait quand même hein. C'est quoi ça Kébé, dama la ko ñaan. Xam nga Kébé ngay bëgg neex. Tu sais, on fait des fois des rencontres euh, qui sont enrichissantes. Vous savez, vous avez affaire à la folle de cette maison. Mais tonton, je savais pas que toi c'était tes polygames. <laughs> Apparemment, c'est dans la famille Québec. Mais tu m'as l'air de tomber sur la perle rare. Machallah, chapala, c'est tout gaming. C'est pas normal. Oh. excuse na leen bu baax ti pedd rek ta tête ti pedd ta tête à l'aise ah. comme c'est vous rek bu baax mais dalal ak jàmm daal ngi jégalu ah Kébé man xam naa sa jikko danga fi nar nekk di jégalu te du ko jar gis nga kër goo gis am na maam Birane sama kër yi tamit am na ko bu ñu fi toogoon di ko wax duñ fi jóge mais kii moom nañ ko jàppee ni bëy rek. <laughs> xaw là là la Ami soo ma waxee de defu ma dara foog nga gëm ma xaw ma daal luñ ma jox xaw ma lan. yow eh lan nga jox kii nii Aziz yow lay waxal lan moo xew fii nii. Ami eh, Ami calme-toi bay ma. c'est bon putain. Pour moi aussi c'est le flou dans la tête. Peut-être que si t'arrêtais de gueuler comme une folle, je pourrais remonter ce puzzle. Ney, tu me connais depuis très longtemps, tu sais que jamais je te ferai du mal. On se calme, ok Il ne faut pas tirer une conclusion allons-y, on va y réfléchir. on va aller voir la police, ok On y va. On y va. On y va, on sort d'ici. Yahweh, imbécile. s'est passé, bordel de merde تيام بخير وفي كان الحمد لله ما جيتيش معايا لا البارح هنايا سينو والله كنت غادي نقطع لك راسك باغا من اللي ديك اكو كان واش عرفتي انا شنو درتي عرفتي درتي لي مع با دابا اش من ايماج غتكون عندي اش من ايماج غتسمى بحال لاصقه فيه Hey, eh, <laughs> explique-moi pour que je comprenne parce que j'étais hier chez Bat et imagine il a compris arabe il a compris tout ce que j'avais dit lui son grand-père ils ont tous compris ils parlent tous arabe Kani. Hmm? ok donc ce que tu veux dire c'est que quand tu as dit à Bat hier que tu étais amoureuse de lui. Je comprends le mieux. il a tout compris. <laughs> la honte la honte la honte. Chouma chouma. <laughs> hey tu trouves ça drôle. Eh, c'est drôle kay Moi. eh nangul ni bi ko libéré nga non bah c'est mon patron. et alors. et alors il va penser que je suis une mauvaise fille. moom moo qu'est-ce qu'il a dit après. Il s'est moqué de moi, il m'a dit qu'il a compris tout ce que j'avais dit et puis il a dit dis shukran à Kanye, genre dis merci à Kanye. Hmm. Déjà, dans le il a ri. Après moi, oh la merci. Siam, xam nga bu baax Kanye batti yow tamit dang ko Un homme flatté va réagir de la même manière. Et eh, gis nga que mi sofo ko nak yow tamit. Hmm. Tu penses Je pense que je mo gën ngay def sa innocente ouais moins hein, ça change situation merdique ma il pourquoi qu'est-ce qui s'est passé. il faut vraiment qu'on s'active pour Malika j'ai un mauvais pressentiment. E il faut que tu te calmes avant que nous remarquions quoi que ce soit. Boris mon papa surtout me yaay. xoolal il faut que nous ñëw avant que ses parents commencent à di poser des questions. Boris il n'a pas arrêté de m'appeler papa aussi tamit pareil. man dama et pourtant j'étais à ça de tout arranger mais mu mel ni daf may punir comment est-ce que je hey pleure pas s'il te plaît suñu duggee nii sa kër lan ngay wax sa papa wala sa état bi nga erreurs mais tu n'es pas seul. je vais être là pour toi D'accord Allez, vas-y, descends. S'il te plaît, vas-y. T'inquiète pas, je suis là. Marodi TV, votre visibilité garantie avec une communauté de 4 600 d'abonnés.